Hier, vous avez fait un tweet, vous avez publié quelque chose euh, relative à à une rançon de près d'un demi-milliard à collecter ou bien qui aurait été perçue par Boko Haram de janvier au mois de septembre 2020. Monsieur Siddiq Abba, vous pouvez nous expliquer concrètement de quoi s'agit-il, comment cette opération s'est déroulée ou bien comment Boko Haram a pu collecter une telle somme colossale sur les dos des populations pauvres des Diffa Je pense que euh, cette information repose sur un travail d'investigation et de recoupement que nous avons pu mener depuis un certain nombre de mois euh, auprès des sources locales, euh, les communautés, les familles des victimes, euh, certaines personnes qui ont connaissance des activités criminelles dans la zone. Et au terme de ce travail d'investigation, nous sommes arrivés à ce chiffre qui, de mon point de vue, euh, est inférieur à la réalité. Euh, le montant exact est sans doute beaucoup plus élevé que celui-là. Euh, en réalité, il s'agit de, sommes qui sont versées par les familles victimes. Euh, parce que Boko Haram procède quasi quotidiennement à des enlèvements de citoyens dans la zone de Difa et Finalement, les familles de personnes annulées sont obligées euh, de verser une rançon à Boko Haram ou lorsqu'elles n'ont pas, sont obligées de se cotiser pour verser et euh, souvent somme euh, à la contribution pour verser, pour réunir la somme dépasse le pas de plusieurs. Il y a même des ressortissants de l'IFA qui sont dans la diaspora qui sont sollicités pour contribuer à ce que la famille puisse réunir la rançon et c'est cette rançon-là qui est versée. Donc, il y a une addition des sommes régulières qui sont versées, une somme varie selon, euh, entre guillemets, la valeur de la, de la personne annulée. Pour certains, Boko Haram demande un million de naira, pour quelqu'un d'autre 800 000 naira, etc. Donc, les sommes varient. Et c'est l'accumulation de ces sommes-là, parce que souvent, il arrive que, par exemple, ils demandent 10 millions de naira pour euh, libérer certains otages, entre deux ou trois personnes. Ils peuvent demander ce montant et les populations sont obligées de revendre leurs animaux, de solliciter leurs parents, etc. etc. Et l'accumulation de toutes ces sommes-là fait qu'on est arrivé à ce montant de 000 milliards de francs sur qui, à mon avis, euh, inférieure à la c'est dit que Abba, dans vos investigations, c'est uniquement Boko Haram ou bien d'autres groupes armés qui s'adonnent à ce genre d'activités de collecte des rançons en enlevant des paisibles citoyens Oui, pour, ce qui concerne la région de Boko Haram, le deuxième de Boko Haram, que ce soit l'homme de Chekam euh, ou euh, l'État islamique à, la présence de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, qui est l'autre aile de Boko Haram dirigée par, euh, par Barnawi et euh, Mamanou. Donc, c'est principalement les, activités criminelles euh, que Boko Haram a mis en place dans, la, dans, dans cette zone-là qui ont rapporté euh, ce montant-là. Il faut mieux comprendre l'importance de cette somme. Vous avez parlé d'une somme importante. En réalité, il y a un choix. Boko Haram ne, prend pas au hasard. Il regarde des personnes, souvent qui sont euh, des, propriétaires d'animaux, souvent qui sont des commerçants, à Gagnon-Mazan, à Kingandi ou ailleurs. Il regarde, il cible les personnes en fonction de la capacité de la famille à mobiliser cet argent-là. Il faut que si une personne euh, dans la famille ne pourra pas, ne pourra pas payer, peut-être que souvent il est arrivé qu'il ne de personnes parce que ma famille n'a pas réussi à réunir l'argent. Donc, il y a un travail de filière. C'est une sorte d'économie de la ration qui s'est mise en place euh, dans cette zone-là, à mon avis. Et il faut travailler, il faut trouver le moyen de mettre un terme à cette économie de la ration qui s'est mise en place si on veut effectivement un jour venir au bout de Boko voilà, une dernière question, M. Sidik Abba. Est-ce qu'aujourd'hui, cette économie des rançons, comme vous l'avez appelée, a, en quelque sorte ruiné les populations des DIFA Absolument. C'est une désespoir pour les populations des DIFA. D'abord, euh, compte tenu de l'insécurité, elle ne peuvent plus cultiver, Elle ne peut plus faire du poivron parce que vous savez, euh, sur le, long, le long de la commandement, la principale source de revenus des populations, c'est le poivron. elle ne peut plus aujourd'hui du fait de l'insécurité euh, produits du poivron. Et aujourd'hui, ils ont demandé euh, de payer des rançons et de ruiner totalement. les populations sont obligées de vendre ce qui leur reste pied. Souvent, le, c'est le bijou euh, familial, c'est le bijou de famille. a la dernière richesse d'une famille dans cette région, on sort de revendre l'or, par exemple, qui est le bijou familial, où souvent on est obligé de faire affaire à des parents. Donc, c'est totalement ruiné à mon avis, c'est une sorte de bibliothèque que les populations sont en train de vivre. vous savez que la paupérisation des populations, le fait que les gens deviennent pauvres, ça crée aussi les conditions pour que Boko Haram continue à recruter. Parce que les gens n'ont rien à faire. Comme tu vois, Boko Haram vient de faire une progression avec leur propre argent que Boko Haram a décidé. Et ça explique pourquoi si on, ne casse pas cette économie de la rançon, on risque de ne pas gagner la guerre contre Boko Haram.